Aujourd'hui, nous sommes là euh, pour une cérémonie de prière qui va à l'endroit de, nos martyrs, euh, nos jeunes euh, qui ont perdu la vie lors des événements du mois de mars dernier. Donc nous avons nécessaire d'organiser cette cérémonie parce que c'est des gens qui ont donné leur vie pour sauver la démocratie sénégalaise. Donc, euh, ceci étant, c'est une obligation pour nous de prier pour ces gens-là au nom du maire et au nom de tous les patriotes de Ziguinchor et surtout tous les patriotes du Sénégal. Nous voulons une justice euh, vraiment, une justice en tout cas juste. Il ne faut pas que ça soit euh, une justice qui va prendre part ou bien, en tout cas, nous voulons que ça soit dans les règles de l'art. Parce que l'affaire là, ça dérange. Nous voulons que ce soit tiré au clair une bonne fois pour toutes. Parce qu'on euh, en a besoin, on en a marre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, il faut que ça cesse. Donc ça, ça, n'est trop déjà. 14 vies, c'est trop. Donc nous voulons que, en tout cas, ce problème-là termine en tout cas une bonne fois pour toutes et que tous les Sénégalais vaguent à leur occupation. Je lance un appel dire à tous les Sénégalais, il faut que l'on soit unis. Il ne faut pas que ce soit une chose partisane en tout cas. Il faut que ça soit une chose de justice. Je dis que euh, moi je suis de tel parti ou bien je veux tuer quelqu'un euh, politiquement, d'éliminer un adversaire je veux dire. Euh, donc je dois laisser la justice faire son travail. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail et non, en tout cas, essayer de faire du mal à quelqu'un d'autre parce que tout simplement, il est un adversaire politique. Ça, vraiment, les Sénégalais, tous les Sénégalais, n'est-ce pas, euh, on doit être unis, la main dans la main et en tout cas réclamer justice. Moi, c'est ce que j'ai à dire euh, par rapport à cette question pour que tout le monde ait la paix. Parce que la paix, on en a besoin. La paix, on en a besoin. Euh, il ne faut pas qu'on crée des problèmes croyant qu'on va faire mal à quelqu'un. nous avons une journée de prière. Euh, pour xalé yi nga xamantene ñom la seen bakkan roton ci événement marsi donc ñu jugé nécessaire né xalé yi vraiment il faut que ñu euh, ñaanal leen ndax yalla xaré leen àjjana parce que vraiment xalé yi nekkoon nañ fi ay jambar yo xamantene ne dañoo euh, jaay seen bakkan ndax sauver démocratie sénégalaise. il faut que justice soit faite xalé yi il faut que ñu ñu en tout cas fexé ba teg daan ñi nga xamantene ne ñoo ñoo ñoo faat bakkan xalé yi ndax bakkan dafa dafa sacré benn bi moy euh, li ñuy xaar ci nguur gi moy nañu atté euh, problème bi ci ci ci dëgg nañ ko atté ci euh, atté bo xamantene du am du am par parparlu voilà donc ñun dañu gis ni ki Sénégal fu mu nekk nii dafa melni justice bi dafa am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey te loolu man dama yaakaar ne warul am ndax Sénégal ñun ñëpp benn lañu euh, Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais euh, justice nekk suñu justice ñun ñëpp ndax ñun la fi nekkal donc buy attee dañoo ñaan yàlla te bëgg aussi ñu attee attee ci loo nga xamante ne mooy yoon. yëf nañ ko teg ci yoon ñu teg ko si dëgg loolu kese la ñuy xaar ci ñoom ndax ñun euh, dossier bi bu ñu sañoon ñu yëkkati ko nit ñi pare si ndax dossier bi sonal na Sénégalais yi. kenn mënul nelaw ndax dossier bii dañoo sonn ci dossier bi dañ ko teg ci table bi ñu réglé ko une bonne fois pour tout su ko defee kenn ku nekk dox ci li ngay dox jàmm yendu jàmm fanaan ndax ñun jàmm mu ñu jig jàmm la ñu bëgg lu dul jàmm daal ñun bëgguñu ko ndax dafa doy te dafa métti si ñun jigéen ñi surtout métti Sénégalais yépp